forum du studio le forum du studio forum du studio forum du studio le forum studio le forum studio forum studio le forum studio forum studio Vendredi 19 octobre 2018, il est 18h passé de 15 minutes. Euh, si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez le forum de la presse de Studio Kalangou. Un rendez-vous hebdomadaire d'échange avec nos confrères journalistes de la presse audiovisuelle, écrite ou en ligne, pour parler des principales informations qui ont marqué l'actualité de la semaine et ce, dans le respect mutuel. Les sujets dont il sera question aujourd'hui dans ce forum de la presse sont l'élimination en début de semaine de l'équipe nationale de football du Niger dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019 prévue se tenir au Cameroun. Nous évoquerons ensuite les exercices de simulation menés à différents endroits de Niamey par les forces de sécurité nigériennes. Aussi, nous parlerons des 60 ans d'existence de la Voix du Sahel qui s'appelait la Radio Niger au moment des indépendances. Pour finir, nous aborderons ce vieux sujet de la convention collective dans le secteur des médias. Pour commenter ces sujets, nous sommes avec euh, Abba Hassan, directeur de la radio alternative de Niamey. Bonsoir. Bonsoir. Gary Amadou, journaliste euh, au quotidien La Nation, bonsoir. Bonsoir. Et Roufaï Dandoua, journaliste sportif, bonsoir. Bonsoir. Au micro, Raylet Soumana. Messieurs, dames, euh, bonsoir. Nous ouvrons ce forum avec du sport. Euh, après sa défaite euh, en Égypte puis à Tunis, le MENA, l'équipe nigérienne de football, vient d'être battue par les Tunisiens ici à domicile par 2 buts à 1, ce qui du coup l'élimine de la course à la participation à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Suivant quelques explications d'Adam Moukaila, secrétaire général du comité provisoire de la Ligue de football de Niamey. La Tunisie a 12 points, l'Égypte qui a déjà 9 points. Donc nous, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 7 points. Pour vous dire qu'on ne peut plus rattraper ces deux équipes. C'est-à-dire même pour la troisième fois, il faut battre l'Égypte à domicile et faire un bon match à Swaziland. Beaucoup de choses expliquent cet état de fait. Il faut se référer à la forme physique de certains de nos joueurs. Certains joueurs sont prêts en compétition. Et au cours du match, surtout, il y a eu vraiment des changements qui ne nous ont pas servi. On l'a remplacé par ça quoi un moment qui a brillé pendant 5 minutes. Après, pof, c'est la même chose. La grosse erreur, c'est le milieu de terrain qui n'a failli. L'équipe n'était pas du tout équilibrée. Les Tunisiens ont joué au milieu, ils nous ont fatigués. Et vous avez vu la fin du match à quoi ça ressemblait. Il faut vraiment trouver les mécanismes pour les deux matchs qui restent et faire jouer que des joueurs qui jouent. Roufaï Dandoua, vous êtes euh, journaliste euh, sportif. Est-ce que vous êtes d'avis avec euh, le secrétaire général euh, de la Ligue de football euh, sur le manque de forme physique ou de l'impréparation de certains joueurs du MENA. Oui, mais euh, c'est la Foot qui les a, dans tous les cas, sélectionnés. Les gens avaient crié au effort qu'il ne fallait pas sélectionner les, gens, les joueurs qui n'avaient pas de club, les joueurs qui ne sont pas en forme. Et mieux vaut prendre un joueur qui joue à Niamey, dans un club ici à Niamey, que d'aller prendre quelqu'un qui dit être dans un club à l'extérieur alors que il n'a pas ce club alors qu'il ne joue pas, qu'il ne s'entraîne pas et qu'on l'amène, on, gaspille l'argent de, billets d'avion à leur retour. Vous voyez, c'est un manque à gagner important pour euh, et la fédération et l'État du Niger. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui, concourent à, cet échec. La dernière fois, je crois, ici, on, en avait parlé. je disais même ici à Garé qu'ils se sont fait à eux-mêmes, ces joueurs, parce qu'ils avaient crié haut et fort à Alexandrie qu'il fallait qu'on leur donne leur argent, on leur a donné l'argent. Au lieu de nous faire, euh, de nous amener un bon résultat, ils ont pris deux défaites après. Et bien vrai qu'à Tunis, ils avaient fait 0-1 on pensait que ça allait marcher ici à Niamey, mais c'était mal connaître le football, surtout le football maghrébin, puisque et chaque fois que le Niger joue avec les Maghrébins, c'est toujours comme ça. On perd sur euh, la plus petite des marques et quand on vient ici, ils nous marquent rapidement et ils tuent le match. Et moi, ce qui m'a le plus euh, déçu, ce n'est pas tant le score, parce que c'était prévisible, mais c'est la manière. On ne, on ne savait pas ce que voulait le Niger gagner, évidemment. Justement, c'est ça, on ne savait pas s'il voulait gagner, s'il voulait juste jouer pour jouer, parce qu'il n'y avait rien, il n'y a aucune tactique, il n'y avait rien. Tout le monde en avait marre du match, tout le monde voulait que le match finisse dès la 60e minute, tellement que à la deuxième mi-temps, il n'y avait rien côté nigérien. Les, les Tunisiens jouaient en marchant, parce qu'ils ont compris qu'ils menaient 2-1 et qu'un nul les qualifiait déjà à la Coupe d'Afrique. Donc ils n'avaient pas besoin de forcer, ils ont joué malgré la chaleur à la fin, deux buts à un. Et donc c'est ça qui m'a le plus euh, énervé. Mais selon par la, vous, pourquoi les Nigériens ont agi ainsi parce qu'ils ne pouvaient rien faire, il y a beaucoup qui n'ont pas joué. Quand vous prenez par exemple la star du, du Niger, c'est Moussa Mazou. Toute l'année depuis qu'elle a commencé, elle n'a joué aucun match. Zéro minute et dans son club. Et quel club encore Il joue dans, un club de deuxième division. Il n'a joué aucun match. Et ça, c'est pour la star de, de l'équipe. Ceux qui sont ici aussi, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Il y a d'autres euh, qui disent appartenir à des clubs, mais quand on, quand on, quand on fouille sur Internet, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas mentir sur euh, votre appartenance à un club. Mhm. Euh, il suffit d'aller sur le net et voir si votre nom figure. Beaucoup n'y sont pas. D'autres qui sont là qui disent bon, nous on vient juste pour chercher l'argent. Ils prennent leur argent et ils s'en vont. En fin de compte, tu te dis que veut la fédération Est-ce que c'est pour gagner ou si c'est pour autre chose, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il faut vraiment que qu'on tire les leçons de, de ces... Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Euh, Abba Hassan, directeur euh, de la radio alternative de Niamey, selon vous, que pouvait faire le MENA pour gagner à domicile, puisqu'à l'étranger, selon les joueurs, le manque de moyens expliquerait l'absence de motivation oui, quand on avait entendu ces joueurs de MENA en Égypte euh, étaler un peu les conditions difficiles dans lesquelles le juillet. Moi, j'avais déjà, je vendais pas très cher la peau du Niger, hein, parce que en regardant déjà le, groupe dans lequel on était, il y a deux mondialistes qui sont l'Égypte et la Tunisie. L'équipe qui était presque à la portée du Niger, c'était le Swaziland, je crois, c'était la, quatrième équipe. Donc pour moi, face à ces deux poids lourds Qui sont l'Égypte et la Tunisie, non seulement finalistes, mais aussi qui ont un bon championnat au niveau national, qui sont des équipes euh, assez bien connues sur le continent, pour moi, on n'avait pas beaucoup de chance. Et donc, euh, lorsque le joueur avait dit tout ce qu'il avait dit et qui avait défrayé la chronique, je me suis dit, bon, ça veut dire que euh, on n'avait pas vraiment grand-chose à faire, c'était fini. Maintenant, euh, je prends en compte ce que doit qui connaît mieux le domaine avait dit, mais la question de fond, c'est qu'est-ce que nous faisons pour nous préparer entre deux éditions de la Coupe d'Afrique des Nations euh, est-ce qu'on se fixe des résultats Est-ce que ces résultats, on se donne les moyens de les atteindre Parce que vous voyez, le, football, ce n'est plus euh, le hasard. Les gens se préparent, ils mettent les résultats et ils essaient d'atteindre ces résultats-là. Mhm. On le voit, <clears throat> on peut jouer comme tout le monde. Euh, dès qu'il y a un échec, c'est pas de Dieu qui l'a amené, il y a une raison, il y a une cause. Mhm. Il faut analyser les causes et dire plus jamais ça pour aller de l'avant. On voit des grands pays de football, qui jouent, comme l'Allemagne aujourd'hui, qui perdent, mais on sait au moins pourquoi on perd. Si on sait pourquoi on perd, on, on se donne les chances de gagner à l'avenir. Mais alors là, euh, on a perdu. Il euh, ne faut pas que les gens se contentent de dire que bon, c'est Dieu qui l'a fait, c'est des grandes équipes. Mais à mon avis, le plus important aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui qu'on a perdu pour tirer les leçons et entre deux éditions de la Cannes, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour avoir une équipe qui est meilleure que celle de la saison précédente. À mon avis, c'est le plus important. D'accord. Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Et vous, comment appréciez-vous les matchs livrés par le MENA contre l'équipe nationale tunisienne Écoutez, il n'y a, pas de notre, football est nul, j'ai l'habitude de le dire. Notre championnat est nul, notre fédération est nulle. Euh, euh, c'est-à-dire que euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on recrute les joueurs. les préparations sont nulles, tout est nul. On ne peut qu'avoir que des, résultats, des résultats vraiment catastrophiques. Deux participations à la Coupe d'Afrique des Nations, aucun point. Ensuite, ce qu'on a dit la semaine passée, pire, c'est que le Niger ne marque jamais pratiquement à l'extérieur. Et il ne gagne jamais. Et le plus grave, c'est qu'il se fait battre à domicile, alors que certains pays font tout pour gagner la match à domicile. Non, non, nous, nous avons la particularité de les perdre. Oui, C'est-à-dire que nous, nous pouvons faire match à l'extérieur. Non, non, mais quand nous venons chez nous, on perd les matchs. C'est-à-dire que pour moi, hein, moi je l'avais dit, la participation du MENA aux deux Coupes d'Afrique nationale, c'était pratiquement un accident. Pour moi, le MENA ne méritait pas. Parce que c'était déjà le résultat qui, qui, qui, qui, était sorti de ces, de ces deux cannes-là. C'était vraiment une humiliation, une honte. Et deuxième chose, je me dis qu'il faut qu'on revoie d'abord, pour moi, au niveau de la foot, il faut changer les têtes. Ce n'est pas un sujet tabou, moi je le dis. Mhm. Pour moi, la finifoot a échoué. Moi, c'est pas. Parce que quand on vient, on me dit que oui, oui, les joueurs sont mal préparés. Mais qui prépare les joueurs C'est eux qui se préparent à la maison, c'est comme ça que ça. Ou bien c'est comme. Mais une fédération. Pour moi, au niveau de la fédération, le vrai problème du football nigérien, c'est la fédération nigérienne de football. Il y a des gens qu'il faut écarter une fois pour toutes amener des gens qui sont vraiment capables. Et deuxième chose, il faut revoir le championnat. Apparemment, notre championnat est un championnat au rabais. C'est un championnat qui, qui, n'est pas de la trame, par exemple, du championnat à côté du Burkina, du championnat de, pays comme le Mali, qui arrive grâce à leur championnat, à faire sortir des individualités qui vont dans les clubs européens. Nous, le seul dont on peut se targuer depuis plus de pratiquement, est-ce qu'on peut dire 10 ans, c'est Moussa Mazo Mais enfin, c'est une honte. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il vieillit, il vieillit aussi. Oui, il vieillit. Et en plus, comme il l'a dit, comble d'humiliation, notre, notre euh, euh, international maison, il joue en deuxième division dans un, club. Et encore, il ne joue pratiquement pas. ça veut euh, dire que, même, au, niveau de ce club-là, on considère que son rendement. Notre football est malade, je vous le dis. c'est-à-dire qu'il faut tout revoir. Et la première chose à faire, c'est la fin du foot. La deuxième chose à faire, c'est le championnat. Et il faut revoir le processus de recrutement. Comme l'a dit Roufaï, mhm. parfois c'est le recrutement sur le sentiment. Ce n'est pas parce que vous avez été une star, vous, n'êtes plus en jambe. Et ça, ça ne marche pas oui, pas. Oui, mais non, ça ne marche pas. Mm. Mais regardez ce qui se passe, je vous dis, au Burkina, au Mali. Oui, on va passer à autre sujet. On va être pris par le temps. Je pense que c'est important de, de, revenir. Ce que Abba a dit, c'est très important. L'Allemagne, par exemple, on connaît le problème. Même au Niger, on connaît le problème. <laughs> Mais on, refuse de, voir le problème. Garé, quand il parle de, la FENIF, si tout le monde pouvait parler comme Garé l'a dit, avec euh, euh, cette euh, sincérité, mhm. le problème est surtout sur les acteurs des clubs parler comme il l'a parlé et aller prendre des décisions, le problème se poserait. Il a dit que la, la est nulle. Ça, ça, ça on l'a dit mille et une fois, mais on ne change pas. Oh, regardez par exemple et, tous, ces, tous ces joueurs qui sont venus quand vous je vous assure, en sixième division, ailleurs, ils ne joueraient pas. Mais ils sont dans l'équipe nationale du Niger. Qu'est-ce qu'on fait Et quand ils, ont, quand ils ont, par exemple, crié, on leur a donné leur argent. Normalement, il doit y avoir un, sursaut d'orgueil. Mhm. Mais il est où on n'a rien vu. Et ils sont venus, ils vont, vous dire, non, on a été battu, comme l'a dit Abba, par, par, par l'Égypte ou par... Euh, j'ai regardé tous les matchs le jour où le MENA a joué. Tous les matchs. Aucun pays n'a perdu à domicile, sauf le Niger. Même Madagascar a gagné pour se qualifier pour la première fois. Et ce qui nous a le plus induit en erreur, c'est comme l'a dit Garé, c'était les qualifications en 2012 et en 2013. On s'était qualifié par un heureux concours de circonstances et on s'était vu trop beau parce, qu'on avait battu l'Égypte, l'Afrique du Sud. On pensait qu'on a atteint le niveau. Et au lieu maintenant, au lieu de travailler, on pensait qu'on est au même niveau qu'eux et on a refusé de travailler. Mhm. Aujourd'hui, on a largement régressé. Tous les pays ont progressé sauf le Niger. Conséquence, on est le seul pays qui, aujourd'hui, depuis que Zawi est venu, on avant, on ne perdait pas à domicile. Mais depuis que sont est revenu, à aucun match officiel, on a gagné deux matchs. D'accord, merci. On va passer euh, à la sécurité pour parler des exercices de simulation d'attaques terroristes multiples à Niamey, particulièrement aux alentours de la grande mosquée de la capitale, à Goudel et à Gorubanda. Les habitants de Niamey ont paniqué parce que non avertis, des commerces ont été fermés, des écoles barricadées parce que les enseignants et les élèves euh, étaient apeurés. Donc, euh, Abba Hassan, euh, fallait-il informer au préalable les populations, selon vous La réponse est bien sûr oui. La réponse est oui. C'est pour ça que quand j'ai vu <clears throat> le gouverneur de Niamey parler après coup, mhm. je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Il a raté l'occasion de se taire. Ce n'était pas utile cette communication on ne peut pas minimiser des coups de feu dans une ville. Même dans des pays en guerre, les coups de feu, ça sème la panique et c'est tout à fait normal. Moi, quand j'ai quand, quand, été informé, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Puis euh, ça me rappelait cette attaque à la prison civile de Niamey en plein midi. Je me dis, c'est peut-être quelque chose de ce genre qui arrive encore. Puis là, ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Les gens annonçaient des morts. Des... C'était une guerre au réel et je pense que ce n'est pas excusable de le faire en pleine ville, en plein midi, sans dire le moindre mot aux populations riveraines. Ça, à mon avis, c'est extrêmement, extrêmement dangereux ce qui s'est passé. Prochainement, il peut y avoir une réelle attaque. Les gens peuvent penser que c'est un exercice. Et donc, comme d'autres pays le font, oui, euh, la question du terrorisme, de l'insécurité au Sahel, c'est une réalité. Il faut que ceux dont le rôle est de protéger la population puissent véritablement s'apprêter euh, à, toutes les conditions, à intervenir dans toutes les conditions, mais la population quand on fait un exercice, non pas sur un terrain à l'écart, mais en pleine ville, il faut quand même informer. Si je conduisais dans cette zone, je me demandais comment j'allais faire euh, avec des, des, des, gens qui paniquent, qui courent dans tous les sens. À mon avis, c'est vraiment extrêmement dangereux. Ils ont causé énormément de tort à la population de Niamey. Voilà. Donc, euh, Gary Amadou, pensez-vous que l'effet de surprise sur ces populations a concouru au bon déroulement des exercices à Niamey pour moi, vous savez, c'est une question assez, assez délicate. Pour moi, eh, les forces de police ont voulu euh, euh, faire cette opération de simulation dans des conditions réelles. Parce que quand un terroriste attaque, il ne vous dit pas que je vais venir attaquer demain à 10h, non. Mhm. Ça a permis aux forces de police de voir comment est-ce qu'ils peuvent gérer une situation de panique. Mhm. Parce que c'est une situation de panique qui a été créée. Et donc, quand ils ont, ils ont, ils ont lancé les opérations, les gens ont pensé à que c'était un attentat. C'est très bien. Alors, la police elle essaie d'encadrer. Vous avez vu ce qu'ils ont pas Ils ont barricadé les routes, ils ont fait ceux qui étaient paniqués, on les a dirigés vers c'est comme ça que ça se passe. Pour moi, c'est vraiment une opération dans une situation réelle qui permet aux éléments antiterroristes de voir quelle réaction ils peuvent avoir le jour où un truc réel va avoir. C'est vrai, le problème, c'est qu'on aurait peut-être dû... Euh, euh, euh, l'exception du Niger, c'est que c'est un pays où il y a pratiquement une majorité d'illettrés. Mhm. On n'est pas dans un pays européen. Donc les gens ne peuvent pas comprendre. Il faut les avertir. et, et maintenant prendre par exemple des, gens qui vont faire la simulation, qui vont faire en semblant de courir, c'est extrêmement compliqué. Des gens qui vont essayer de, voilà, qu'on va essayer de rediriger. Bon, ça permet pas vraiment de, juger d'une bonne situation euh, euh, de, contre-terrorisme. Mhm. Pour moi, les policiers ont fait ça. En fait, ils voulaient tester, voir le jour où un truc comme ça intervient, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'ils ont fait ça et puis ils ont vu, les, gens étaient paniqués, les voitures, les gens dirigeaient, c'est comme ça que ça se passe. Eh ah bien, maintenant, quand ça passe, comment on fait Surtout à leur niveau. Surtout à leur niveau, oui, oui. Comment est-ce qu'il faut faire et, quand il y a des gens qui sont, qui sont paniqués, des élèves qui courent, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il faut bien qu'on se dise que c'est comme ça que ça va se passer le jour. C'est vrai, ce n'est pas la grande mosquée qu'ils vont attaquer. C'est des cibles bien, bien, bien, bien préparées. Ils vont attaquer des hôtels là où il y a des Occidentaux. Ils vont attaquer des restaurants où les Occidentaux vont manger. Ils vont attaquer peut-être des militaires, n'est-ce pas Ou des postes de, des militaires qui sont en faction. À des... Ils c'est ça qu'ils vont faire. Mais ces opérations de simulation permettent aux, forces antiterroristes vraiment d'être dans des situations réelles. Maintenant, euh, peut-être que au vu de l'immaturité, pour moi, euh, de, bah, pas l'immaturité, mais je vais dire euh, le fait que le Niger est un pays vraiment à, une grande majorité d'illettrés, il fallait informer les gens, leur dire que bon, le Burkina l'a fait parce qu'ils ont fait ils ont fait des opérations de simulation. Mhm. <laughs> le Burkina, on sait ce que c'est, c'est des attaques pratiquement. On voit pas à quoi ça sert pratiquement. Je veux dire chaque mois, on, compte des attaques, c'est beaucoup d'attaques tout le temps. donc, ils ont fait le communiqué, ils ont fait l'opération. Mais que, que, vaut une opération où on dit aux gens restez, ne venez pas par là On fait une opération de lutte contre le où les policiers vont jouer les terroristes et on fait comme si euh, voilà, les passants ne sont pas là, personne n'est là, et puis bon voilà, on fait ça et puis pour avoir quel résultat Non. C'est vrai, il y a eu des risques qui ont été pris, mais pour moi, et, puisqu'ils ont fait une première opération, la prochaine opération, peut-être, ils peuvent avertir les gens, mhm. puisque comme l'a dit Abba, des accidents pouvaient survenir, puisque lorsque des coups de feu ont, éclaté, les gens pouvaient essayer de, vraiment perdre le contrôle de leur véhicule, etc. Les enfants qui sortaient de l'école pouvaient être écrasés. Bon, la prochaine fois, il faut, il faut vraiment le, faire, le communiquer. Hmm. Et donc, euh, comme il l'a dit, au Burkina, le ministère de la Sécurité a tenu à communiquer pour euh, prévenir la population à vaquer normalement à ses occupations. À Tilaberi également, les populations étaient prévenues à temps. Euh, donc, euh, Rufai quel était l'impact recherché selon vous dans le fait fait de ne pas prévenir à certains endroits et prévenir euh, dans d'autres. L'impact, c'est peut-être ce que Gary a dit, mais, mm. mais je ne pense pas que ce soit la, la, bonne solution. La bonne solution a été celle qui a été faite au Burkina Faso où les gens avaient été informés. Et ici encore, les gens étaient informés mm-hmm. et les, chancelleries étaient informées. Pourquoi on informe les chancelleries et ne informer et la population. C'est comme si les vies des, des, expatriés sont plus importantes. En les informant, c'est comme pour leur dire ne sortez pas à tel endroit, à telle heure, parce qu'il allait y avoir certaines choses, ou bien même si vous, vous entendez des coups de fil, ne paniquez pas, c'est ça. Pourquoi on va informer d'autres et ne pas informer d'autres C'est là où ça, ils ont failli. Et en plus, ce qu'ils ont dit, au début et à la fin, imaginez et que la panique généralisée mhm. et qui fait en sorte que les élèves qui sortaient sont écrasés par qu'est-ce qu'on va dire, comment on va les indemniser, qu'est-ce qu'on va dire à leur famille. C'est une erreur. Je pense que le mieux aurait été qu'on informe les gens, même si par ailleurs les policiers, quand ils font, il n'y a pas trop de monde. Mhm. Au moins, au fait, ce n'est pas pour. déjà, ce n'est pas pour savoir le but de cette opération, ce n'est pas pour savoir comment eh, gérer la population quand ça arrive, mais c'est comment d'abord et eh, eh, cadrer les les terroristes, les, comment les, appréhender cela et les, les arrêter. Même, au début, ce n'est pas pour la population quand il y a, quand il y a les attaques. C'est comment d'abord arrêter ces terroristes et, les mettre hors d'état de nuire. Mais quand vous faites ça, parce qu'il y avait, on a dit qu'il y avait des, des, des, des Touaregs entourbanés qui, qui, qui, ont, pris euh, euh, refuge dans, la grande mosquée. <laughs> pas des <laughs> que les gens disent Je que les gens il y a, il y a cinq morts, il y a ceci. On a dit tout et son contraire. Et je pense que si vraiment on avait informé les gens à aucune et aucune spéculation n'allait avoir lieu et on n'allait pas eh, indexer telle ou telle autre ethnie. En fait, euh, euh, euh, c'est ce que je voulais dire, là, en fait, je vais ajouter quelque chose en, quelques secondes. Imaginez par exemple qu'on fasse une opération de simulation dans un hôtel. Est-ce que ça veut dire que les, les, les, les, ceux qui occupent les chambres ou les personnes de l'hôtel ne vont pas être informés Imaginez ce que ça peut être comme panique. Donc c'est pourquoi je dis que, eh, franchement, pour le Niger, je pense qu'il faut avertir les gens. Ça, ça permet vraiment d'éviter certaines catastrophes. La, devait surtout être pour ceux qui sont sont censés assurer la sécurité, pas pour la population. Pas pour la population, voilà. voilà. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent être surpris pour qu'on le à tout moment ça peut voilà. arriver, soyez prêts. Voilà, voilà. Mm-hmm. Sur un tout autre registre, le 18 octobre 2018, hier, la Voix du Sahel a fêté son 60e anniversaire. Simple question pour vous, Garé. Quelle appellation a plus de signification Radio Niger ou Voix du Sahel Bon, euh, euh, la Voix du Sahel, ce n'est pas un nom mauvais. Eh, mais moi, ce qui, me, ce qui me peine par rapport à la, voix du Sahel et, par rapport à l'ORTN, c'est que pour moi, les émissions que j'avais connues avant ne sont plus là. C'est-à-dire que la qualité que je connaissais avant, au niveau de télé de la voix du Sahel, elle n'est plus là. Bon, c'est vrai, au niveau de la voix du Sahel, on essaie de faire des innovations. Mais au niveau de télé Sahel, pour moi, il y a des choses à revoir. Bon, on de la radio. Bon, la radio, voilà, la voix du Sahel. Voilà. La voix du Sahel, il y a des innovations quand même qui, qui, qui sont faites. Par exemple, il y a des émissions matinales, euh, en tout cas qui sont régulièrement... On sent qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais, euh, mais il y a aussi des émissions qui ont disparu et, qu'on aimerait quand même réentendre. Comme par exemple Bon, il y avait, euh, je ne sais pas, des émissions où, où Je ne sais pas si l'émission là continue maintenant, l'émission où on fait des devinettes là, que faisait avant, je ne sais pas si elle continue ou, si elle a disparu. Les pièces de théâtre radiophonique, je ne sais pas s'il y en a ou pas, parce que ça fait longtemps que. C'est pas comme avant. Donc, vraiment, euh, euh, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des émissions thématiques qu'il faut faire. Par exemple, les Nigériens ne connaissent pas beaucoup leur pays. Faites des émissions radio qui essaient d'expliquer tel village qui est un. Parce que, vous voyez, c'est-à-dire que ça se faisait sur Télé Salle Caméra au village. Mhm. Ça a disparu. C'était une émission extrêmement intéressante qui permet aux gens de découvrir des villages nigériens, leur histoire, etc., Ça, on peut le faire à la radio. Il y a beaucoup d'innovations. Moi, ce qui, me, ce qui me fait de la peine, c'est que c'est au niveau, au niveau de radio privée qu'on a une certaine innovation, mais au niveau de la voix du Sahel, pour moi, il y a des attentes à combler. D'accord. Donc, euh, Abba Hassan d'Alternative, euh, l'ancien directeur de, Radio Niger, euh, par ailleurs, un des tout premiers animateurs à rappeler l'importance de l'utilisation des langues nationales dans le développement et la popularité des émissions de la Radio Niger à Colidabel que je vous, vous proposais d'écouter en attendant de poser la question. On était recrutés comme ça, sans formation, pour animer dans les langues. Dans un premier temps, c'était trois langues, le Hausa, le German et le Fulfulde. En 1960, ça a été élevé à cinq langues. Pour les Hausa, Amada Bachar, les Germains, Himada Madama, Fulfilde le Diallo, les Kanouri, un ancien chef du cabinet du ministre sous le régime de Djori, et moi-même pour les Tamashek. Quand la radio du Niger a été créée, c'était la déconcentration de la radio de l'AOF. C'était des petits émetteurs, généralement récupérés à l'armée. On a créé la radio à Zender. Peu de temps après, il a été nécessaire de créer une radio à Agadez. J'ai été désigné pour la créer en juillet 61. Les radios-clubs ont été très importants dans le développement de la communication. La communication à langue nationale a été très importante. Elle continue d'en avoir le mérite. Je les félicite très sincèrement en tant qu'ancien et en tant que fondateur du LIFTIC ancien CFT. Donc, Kolidawel a parlé de l'importance des langues nationales euh, avec l'avènement des radios privées et communautaires. Euh, si l'on rajoute euh, les émissions de la Voix du Sahel, pensez-vous que toutes ces émissions contribuent à la promotion des langues nationales dans le Niger d'aujourd'hui Je pense que hier comme aujourd'hui, les langues nationales, c'est extrêmement important, notamment en matière de, radio. La preuve, il y a au moins deux noms qu'il a cités et qui sont parmi les noms les plus connus quand il parle de Himadama, de Amada Bachar c'était quand même les vedettes de, de, la, radio nationale. Mm-hmm. Je pense que les langues nationales, c'est extrêmement important. Je pense que c'est Gary qui l'a rappelé à un instant. C'est aussi la réalité du Niger, mm-hmm. dans un pays où euh, les trois quarts de la population ne parle pas français. Euh, c'est quand même la radio à travers les langues nationales qui permet de les toucher. Donc je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais je dirais aussi comme, comme, comme Garé sur le fait que j'ai l'impression que la qualité se conjugue au passé sur la radio nationale. Euh, la qualité dans quel sens La qualité dans les émissions, c'est-à-dire que par exemple, ces théâtres dont il parle qui portaient un message, quel que soit le contenu du message, euh, qui, qui, était diffusé sur le plan national, qui était des rendez-vous, euh, surtout à un moment où il n'y avait que la radio nationale. Mhm. C'était vraiment des choses extrêmement importantes. Et contrairement aux radios privées commerciales qui sont créées aujourd'hui, la radio nationale, c'est quand même une radio publique qui a les moyens mhm. d'aller partout au Niger, d'aller collecter des informations, les traiter, les diffuser, avoir vraiment des choses qui permettent d'en faire une véritable radio publique au, service de tous les citoyens. j'ai l'impression que euh, plus les autres médias arrivent, euh, peut-être que à l'époque on s'accrochait tous, peut-être parce que c'était la seule radio, <coughs> mais aujourd'hui, le fait que les autres radios radio arrivent ça montre les limites de la radio nationale. Et euh, ce qu'ils faisaient de bon, ils l'ont presque abandonné. Quoi. Donc euh, c'est bien dommage. Mais aussi, je pense que quand je regarde l'ORTN, l'arrivée de la télévision, <clears throat> excusez-moi, l'arrivée de la télévision a relié au second mhm. la radio. Or, la radio, c'est elle euh, qui permet toute la journée, couvrir là où la télévision n'est pas. Qui est accessible aux populations qui, de la Qui, est accessible. Mhm. Et j'ai l'impression que euh, toute cette volonté souvent de transformer les médias publics en médias gouvernementaux ou en médias d'un régime. J'ai l'impression que ça a relativement mm. épargné la radio. Peut-être que ça ne fait pas mm-hmm. beaucoup l'objet d'un enjeu comme la mm-hmm. télévision nationale. Et du coup, moi, j'aurais bien voulu retrouver la radio nationale qui va là où les autres s'arrêtent, faute de moyens. Et qui met l'expertise, l'expérience des gens qui étaient là depuis les années 80, ou je ne sais pas, au profit des, auditeurs. Mais j'ai l'impression vraiment que la qualité se conjugue au passé. Et d'accord, Rufai Dandoua, pensez-vous qu'au fil du temps, les émissions de la Voix du Sahel répondent aux besoins du public, notamment dans les zones les plus reculées Non, euh, le problème qui se pose, c'est quoi C'est que moi, je pense que le défi premier aujourd'hui de la Voix du Sahel, d'abord, c'est comment euh, faire en sorte qu'on écoute la voix ça. Je pense que c'est le premier défi. Avant de, de, de, parler de, la qualité des émissions, même s'ils ils vont de pair, puisqu'il faut que les émissions soient de qualité pour qu'on les écoute. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, euh, même dans les voitures, quand vous faites peut-être le sondage, vous verrez que sur 100 euh, personnes, il n'y a pas 5 qui écoutent la voix du Sahel peut-être à, 13 heures. Mhm. Là encore, peut-être c'est pour écouter s'il y a quelque chose d'important. C'est les deux premières minutes, s'il n'y a rien, ils s'en vont. Surtout que et quand, vous regardez, quand vous écoutez aussi et la voix du Sahel à 13 h ou à 20 h il y a, toujours il y a un retard. Ils ne, font, ils ne sont jamais à l'heure. C'est comme et Télé Sahel pour le 20h30. Moi, je pense mhm. que c'est ça le premier défi. Le second défi, je pense qu'il faut qu'on dissocie l'ORTN de la voix du Sahel. Mhm. Parce que, comme l'a dit Abbas, et ça c'est très important, et jusqu'à aujourd'hui, tu sens qu'il y a peut-être plus d'indépendance à la voix du Sahel qu'au niveau de, de télé Sahel. Quand tu, oui, quand tu écoutes certaines émissions comme Opinion Plurielle qu'ils font, tu sens qu'il y a une liberté de ton. On permet aux gens de, de s'exprimer librement, sans censure, ce qui n'est pas le cas mhm. de, de, de télé Sahel. Et je pense que c'est ça aujourd'hui Malheureusement, il n'y a pas de communicateur à, à la voix du Sahel, c'est des journalistes, parce que les journalistes aussi n'ont pas de communicateur. Donc, c'est la communication qu'ils doivent faire, montrer qu'ils sont différents de, la Télé Sahel. Surtout que dans les marchés, avant, il y avait des haut-parleurs, euh, il y a des émissions qui sont suivies. Euh. Ah, donc, aujourd'hui encore, c'est vrai que eh, la télé a relégué au second plan la mhm. radio, ça, ce n'est pas que la voix du Sahel seulement, c'est presque euh, toutes les, toutes les radios. Mais quand même, avant, il y avait, et c'était, c'est vrai, c'était la, seule radio, il y avait après Anfani, RM et consorts, mhm. mais il y avait aussi des, animateurs euh, qui se sont familiarisés avec le, les, maisons nigériennes, les foyers nigériens, comme les Amada Bachar, les mm Il y avait par exemple les théâtres, quand vous prenez les, les quand vous prenez la troupe théâtrale ORTN de, de, Zender, il y mhm. avait euh, des théâtres de sensibilisation. C'était tellement important que les gens avaient envie de de, regarder. Même si c'est la même chose sur Télé elle Le dimanche, chaque fois, tu sais qu'il y a euh, théâtre en Hausa ou en Zarma, mhm. les gens venaient, Mais aujourd'hui, toutes ces émissions ont, ont disparu. Et qu'est-ce qui fait ça C'est presque comme dans toutes les entreprises nationales. Les gens, ils sont là-bas. Dès qu'ils pensent qu'ils ont un contrat, un CDI, c'est fini. Ils ne travaillent pas. Ils laissent les. Ils les, voilà, pas d'obligation de retard. Et c'est eux qui le disent. Quand on amène des civicards ou des stagiaires, bon, nous, on va s'asseoir. Il y a qui sont venus. Donc, c'est eux qui vont travailler. on va toujours <laughs> rester dans le domaine des médias pour parler euh, d'un début du réchauffement du processus de la convention collective au profit des journalistes. Lundi, le ministre de la Communication, Habib Mamadou Salissou, a rencontré le comité en charge de l'élaboration des textes. Cela fait tout de même deux décennies que des comités travaillent sur ce même sujet sans parvenir à le faire signer par les deux parties concernées, notamment les patrons et, les employés. Abba Hassan d'Alternative, pensez-vous que cette rencontre permet d'espérer à l'aboutissement de l'objectif attendu depuis 20 ans? Bon, vous avez rappelé que ça fait longtemps qu'on en parle, on a, du mal à, on a du mal à avancer. Peut-être que c'est la faute des journalistes. Moi, je vois les journalistes euh, très mobilisés sur les questions de liberté pour défendre leurs confrères. Mm-hmm. Mais la question de la convention collective, qui est celle qui donne véritablement sens au travail qu'ils font, qui les protège en tant qu'employés d'une entreprise, j'ai l'impression que cette question-là n'est pas traitée avec euh, toute la rigueur, toute l'énergie qu'elle demande. Et donc, euh, le fait qu'un ministre fasse une rencontre, c'est peut-être bien, c'est une façon pour le pouvoir public de dire on s'intéresse à ça, mais je pense que ça viendra surtout des, des, des journalistes. Mais euh, je sais que ça a beaucoup d'implications, la question de la convention collective euh, dans un pays, lorsque vous avez euh, des entreprises de presse qui sont tellement fragiles pour quelques millions de fiscs, vous pouvez, les vous pouvez les fermer totalement pendant des semaines. Mm-hmm. Ça montre quelque part que la convention collective peut poser aussi beaucoup de défis. je pense que ce qu'il y ait des rencontres, c'est peut-être bien, ça permet de savoir par quel bout il faut commencer. Mais en même temps, il ne faut pas ignorer les défis. Pour les journalistes, c'est vraiment la meilleure chose qui soit. Il faut que les journalistes soient, protégés. Quand on regarde les conditions de travail aujourd'hui des journalistes dans les entreprises, c'est vraiment déplorable. Mm-hmm. C'est un métier qui a du mal à nourrir son nom Et du coup, lorsque vous êtes euh, souvent dans une rédaction, c'est faute de mieux. Vous ne pouvez pas bâtir des entreprises de presse, une véritable carrière de journaliste là où vous êtes là par défaut. Et donc, la convention collective permet au moins de répondre en partie à ça. Mm-hmm. Mais en même temps, le fait que ça traîne, ça veut dire simplement qu'il y a des résistances. Les fragiles entreprises de presse aujourd'hui, elles regardent leur capacité à répondre véritablement à une convention collective. Aujourd'hui, elles marchent aussi sur le dos de journalistes avec des gens sous-payés, surexploités, sans heures supplémentaires, etc. C'est aussi pour ça que ça marche. Mais pensez-vous, avec cette convention collective, les promoteurs des médias respecteraient les échéances euh, Est-ce qu'ils ont les moyens de respecter la convention, La convention collective vous donne presque une base juridique pour dire, euh, parce que par exemple, la convention collective dit voilà les conditions dans lesquelles vous recrutez un journaliste, voilà quels sont les rapports entre l'employé et l'employeur, c'est bien codifié. Et donc, ça vous donne, ça vous protège beaucoup plus face à l'employeur. Et donc, du coup, les employeurs font, font, font attention aux conditions dans lesquelles vous travaillez. Euh, normalement, ça peut aider, à, comme on l'a vu dans d'autres pays, ça peut aider à améliorer les conditions de travail des journalistes. Et surtout, je pense que pour le cas du Niger, au moins, ça aurait une dimension pédagogique. Ça montrerait que dans les médias, euh, vous avez des acteurs particuliers. Un journaliste est un acteur particulier. C'est lié à la nature du travail qu'il fait. Euh, si vous évoquez juste un exemple, par exemple, euh, la clause de conscience. C'est quand même quelque chose de très particulier pour euh, qu'on retrouve dans ce, dans ce domaine-là. Mhm. Donc, euh, les travailleurs des médias, de par la nature du travail qu'ils font au service de la communauté qui a le droit à l'information en tant qu'acteur dont le rôle est de satisfaire ce droit, les textes, les juridictions leur donnent aussi euh, un rôle assez particulier et la convention collective va, va dans ce sens. Donc, à mon avis, euh, quand on voit vraiment le contexte, euh, les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent et qui fait que dès qu'ils ont une bonne opportunité, ils s'en vont, à mon avis, la convention collective <laughs> permet au moins d'aider certains à aimer leur métier parce que ces métiers les protègent davantage. D'accord. Gary Amadou, euh, pourquoi, selon vous, ce retard y a-t-il quelque part un groupe euh, qui est lésé Non, c'est-à-dire que ce n'est pas une affaire d'un groupe qui est lésé. Vous savez, tous les ministres qui sont succédés sur ce, sur, à ce poste ministériel là ont échoué par rapport à la convention collective. Tous, ils font la même chose, on fait des réunions. en fait... Bon, lui, habillé. peut-être qu'avec lui, ça va changer. Mais comme l'a dit Abba, la convention collective, ce n'est pas une chose aussi simple que cela. Parce que, première chose, vous savez, ce n'est pas les, choses, la, comment appelle la cause de conscience, tout ce qui est un peu, euh, euh, comment on appelle ça, concernant le côté social ou le côté droit du journaliste. Euh, droit, je veux dire, pas le droit euh, financier, bien sûr. Euh, tout ça, là, les, promoteurs sont prêts à le faire. Mais ce qui bloque, c'est le côté financier. Parce que dans la convention collective, on prévoit que si vous avez tel diplôme et que vous êtes recruté dans une entreprise, voilà le salaire à partir duquel on doit commencer à vous payer. Mhm. Bon, c'est bien beau tout ça, là, d'avoir des, des, gros salaires. Mais ces entreprises, là, comme a dit Abba, qu'est-ce que l'État va faire pour leur permettre d'être viables Quelles sont les dérogations fiscales, qu'on peut faire à, ces entreprises-là pour leur permettre de pouvoir être dans des conditions financières leur permettant de payer ces agents-là à à ces tarifs ou à ces montants salariaux-là Qu'est-ce que l'État peut faire Qu'est-ce que l'État peut faire pour faire en sorte que les organes de médias puissent avoir de la publicité en même temps que le en même temps que la Voix du Sahel, en même temps que l'ONEP, qu'ils puissent avoir la publicité qui leur permette de vivre Selon Donc, vous, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour En réalité, c'est l'État qui doit faire beaucoup d'efforts pour aider les entreprises à vivre. Si l'État fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les entreprises puissent vivre, elles peuvent mettre en œuvre cette convention collective. Mais vous ne pouvez pas, une entreprise, par exemple, je prends un journal qui n'a pratiquement de publicité, n'est-ce pas Qui est obligé de faire à gauche, à droite. Vous ne pouvez pas le demander de payer 200 et quelques millions de journalistes. Il ne peut pas le faire. Qu'est-ce que vous... Donc l'État doit faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, en tout cas, pour que la convention collective puisse voir le jour. Parce que c'est ça qui va permettre aux journalistes de faire leur travail de la dignité. Mm-hmm. Il ne s'agit pas. Moi, je comprends la réticence des promoteurs de médias. Je comprends. Parce que, avant, comme moi, quand j'étais pas promoteur, je voyais la chose euh, euh, de mon côté. J'ai tiré les droits de mon côté. Je me dis, je fais la victime. Mm-hmm. Mais maintenant, que je gère un organe de presse, je me rends compte que non, c'est bien beau la convention collective, mais pour que ça puisse voir le jour, ce n'est pas seulement la volonté des journalistes, c'est l'État qui doit faire le plus d'efforts, comme l'a dit Abba, pour faire en sorte il faut que... ça arrive. Non, mais c'est vrai, il faut que ça arrive, je sais. Mais je vous assure qu'on eh, eh, ne peut pas la, la, décréter comme ça. Si on la décrète comme ça, on va tuer les entreprises. Il faut que l'État fasse des efforts et des efforts financiers colossaux pour aider les organes de presse à être viables. D'accord. Donc, euh, Rufai Dandoua, de l'autre côté, avec la baisse de niveau dans tous les secteurs, pensez-vous que les journalistes et assimilés pourront donner le meilleur d'eux pour jouir euh, honnêtement des avantages de la convention collective C'est pour ça que je pense que, comme l'a dit Gareth, ça ne va pas tuer la, et, les, organes de presse. Au contraire, ça va euh, recrédibiliser ce métier qui perd en, crédit. Ça va rehausser le niveau parce que les organes de presse vont être sélectifs. Aujourd'hui, quand vous écoutez euh, certains journalistes, vous avez envie de pleurer, mm. tellement que ce qu'on vous sert comme plat c'est exécrable, vous ne pouvez pas le digérer. Quand tu écoutes, et je me, je me demande où sont les rédacteurs en chef, comment ils peuvent laisser passer et tout cela, toutes ces petites fautes, c'est incroyable. Je, n'ai pas la prétention d'être de, meilleur que les autres, mais quand tu écoutes vraiment certains journalistes, tu as honte de te dire des fois journaliste. Sinon, pour revenir au, sujet, quand je regarde par exemple les débats sur, sur les chaînes françaises ou sur les chaînes américaines, tu vois des, des, anciens, on dit c'est des journalistes, ça te plaît. Pourquoi Parce que tu vois des gens qui aiment leur métier, qui le font par exemple de, de 20 ans jusqu'à 60 ans, 70 ans ou plus. Pourquoi Parce qu'ils sont dans des bonnes conditions pour le faire. Ils se documentent, ils, font des recherches, ils, font, ils font tout et tu les trouves parce qu'un journaliste, c'est un passe-partout. Il est censé être euh, euh, partout pour connaître. Mais aujourd'hui au Niger, euh, tu vois, peut-être je vais te lancer l'ancien défi. Quand tu pars sur le terrain, regarde les journalistes qui sont là. Il n'y a que des jeunes. Pourquoi Parce que quand tu viens dans le métier, tu as beau avoir la meilleure vocation du monde. À partir d'un certain moment, tu vas te dire, écoute, euh, vraiment ça ne va pas, il faut que... <laughs> il faut, il, faut... oui, je vais finir. Il, faut que il faut que je me cherche et tu vas voir toujours c'est des jeunes qui sortent de qui sortent de l'IFTIC, qui, viennent pour faire les stages, c'est eux qu'on envoie. Et ce qui et ce qui me désole, c'est lorsque par exemple il y a une conférence de presse d'un président de la République ou d'un ministre des Finances, d'un ministre d'un secteur bien calé, on envoie des stagiaires. Je me demande pourquoi les rédacteurs en chef font ça. Il y a tout. Quand un président fait une conférence de presse, le président a beau être le plus nul du monde quand il est en face de vous, on suppose qu'il a été eh, vraiment conseillé par, des, par ses conseillers et il connaît beaucoup de choses. Mais tu amènes quelqu'un, un journaliste qui, qui tremble quand il lui pose des questions, tu amènes un stagiaire devant un président. Tu envoies par exemple en campagne électorale d'un président de la République sortant ou, ou, d'un candidat au deuxième tour, tu mm-hmm. l'envoies avec... Eh, arrêtez, le problème, il est général. Mais je pense que la convention collective, comme l'a dit Abba, elle est nécessaire et elle, ne va pas tuer les organes de presse. Au contraire, elle va faire en sorte que les journalistes, que, ne soient pas journalistes n'importe qui, mhm. les organes de presse, au lieu de prendre 20 journalistes ou 30 journalistes pour les payer à 20 000, 30 000, 40 000, tu prends 10, tu les payes 200 000 et tu vas avoir de bons résultats. Alors ah, juste, voilà. juste, une anecdote, il y, a, une dizaine d'années, je pense que les CRISAT avaient, fait venir euh, des gens de son bureau d'Inde et donc, il y avait des journalistes qui étaient venus couvrir juste une sortie sur Sadoré, je crois. C'est là qui est un des sites sur lesquels ils travaillent. Alors, les Indiens nous disent, mais, mais pourquoi il n'y a pas d'anciens journalistes Vous êtes tous si jeunes. Puis on se regarde, bon. <laughs> Vous êtes si jeunes. <laughs> Il n'y a, a, pas déjà. Mais après, on leur a dit, mais écoutez, les anciens ont fui le métier parce que ça ne nourrit pas. Et quand doit parler justement, ça m'a rappelé mm-hmm. que les gens ne restent dans ce métier que s'il n'y a pas autre chose à faire. Et donc, il faut vraiment créer l'envie de rester journaliste et de travailler. D'anecdote anecdote, elle était Moi, quand j'étais à l'université, parce que j'étais à l'université avant de. j'étais dans la, chambre de Abba. Abba était, c'est un grand frère que je connais depuis plus de, 20 ans. J'étais dans sa chambre, je, je, je, squattais. Je lui disais à un moment, il était alternatif, je voulais être animateur. Il m'a dit non, qu'est-ce que tu vas faire Tout le monde peut être animateur. Mm-hmm. Laisse, tu fais tes études, après tu vas être journaliste. J'ai moi, j'ai fait le, journalisme par vocation. Je l'aime. et aujourd'hui, encore, je, ne suis pas en plein dedans. Mais c'est pour ça que ça me fait mal quand j'écoute ou quand, quand je vois certains reportages, je me dis, et bon sang. De laisser aller collectif, c'est une rédaction. Oui, justement, la question que tu poses, comment, une chaîne. comment on peut laisser passer un, reportage dans une télé et toi, par exemple, tu te dis, tu le tu bombes le tu dis que tu es un bon journaliste, un bon rédacteur en chef. Si ça passe devant toi, c'est que tu es mauvais. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de choses, même si la convention collective est là, et je pense qu'elle va venir, mais je ne crois pas, même ça, Lahabi, quand je que c'est un fougueux, mais je ne crois pas, c'est Il faut qu'il fasse ça pour qu'on dise que la fait, et à son, mais ça ne va pas aboutir aujourd'hui. Ah, quelque chose à ce, que je, ce que je voulais dire, c'est que ce serait bien que la conversion politique puisse, puisse aboutir. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation à laquelle on assiste, c'est qu'on a des patrons de presse qui sont des barons, qui sont des pachas, qui mènent des villes luxueuses, pendant que certains agents non, mais c'est vrai, ils, sont obligés de, sucer des cailloux pour, se, pour, pour, pour, ne, pas, pour ne pas avoir faim. C'est-à-dire. triste, c'est non, mais... On dit que tu as volé l'argent du. attendez. On ne veut pas te voir évoluer, quoi. Mais vous allez voir un, journaliste qui est dans une, dans, une rédaction, qui qui, qui, qui, qui, prend le taxi, pendant que son patron est dans une V8. Mhm. Il a ceci, il a cela, il a cela. Non, mais quand même, ça suffit. Et c'est tous les patrons de presse. Merci à vous. Ainsi s'achève ce forum de la presse de ce vendredi 19 octobre 2018. Nous étions avec Abba Hassan, journaliste directeur de la radio alternative de Niamey, Gary Amadou, journaliste du quotidien La Nation, Rufai Dandoua, journaliste sportif, et je suis Raylette Soumana pour la présentation. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h15 avec Hawa Ousmane et Balkissa Hamidou pour les forums à Hausa et en Zarma sur le rôle que peut jouer l'islam pour faire reculer le mariage des enfants au Niger. Au revoir.